La fistule génitale féminine, c'est toute communication entre l'appareil génital de la femme et notamment l'appareil urinaire et l'appareil digestif. Donc, en fonction de la cause à la base de la fissure qu'on distingue différents types de fissures. Donc, euh, chez nous, dans les pays euh, sous-développés, la cause principale est l'obstétrique, c'est-à-dire que les accouchements. Après un accouchement euh, difficile, prolongé, sans assistance qualifiée, hein, ça va entraîner une compression entre euh, le bébé qui veut sortir et qui est là coincé et les parois, euh, surtout du pelvis de la femme. Comment euh, elle se manifeste Eh bien, lorsque c'est une fistule qui concerne l'appareil urinaire, eh bien, ça se manifeste par un écoulement permanent, incontrôlé des urines par l'appareil génital féminin. Maintenant, si c'est le rectum, eh, ça se manifeste par des pertes de sel par le vagin. Parfois même des pertes de gaz seulement. Mais gaz, ça veut dire que le P sort par le, le vagin. Et parfois, c'est des choses rares. C'est euh, une femme qui vient qui dit que moi, lorsque je fais mes règles, ça passe par les urines. Donc là, on sait qu'il y a une fissure qui concerne l'utérus et la vessie. Absolument, sinon on ne va pas travailler. Hein. On va... <laughs> non, on est là euh, effectivement pour donner beaucoup d'espoir à ces, à ces femmes. Ce sont des supports qu'on a, et je ne l'ai pas sur moi mais on a pris en charge 160 cas, donc 160 femmes victimes de fistules obstétricales. Mais à côté de ça, c'est-à-dire qu'une femme peut être opérée deux fois, ou même peut avoir deux fistules. Et à côté de ça, il y a les opérations qu'on appelle les incontinences, qui est liée à au même système qu'on ne compte pas dans les 160. Donc, mais sinon, on n'accueille plus que ça.